Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au numéro du Forum de la presse euh, de ce soir, votre euh, rendez-vous de décryptage de l'actualité sur des faits saillants et en marqué. L'actualité de la semaine qui s'achève, nous parlerons d'abord de la mort euh, de l'homme politique, économiste de formation, écrivain, journaliste et président du parti PNA Al-Umma, Sanusi Tambari Jacou est par ailleurs écrivain, journaliste et il est décédé le lundi 18 juillet dernier à Niamey à l'âge de 82 ans. Ensuite, nous aborderons les nouvelles inondations ayant causé à la date du 20 juillet 2022, selon la direction de la protection civile, 15 décès, dont 10 par effondrement et 5 par noyade suite euh, aux fortes pluies enregistrées ces derniers jours euh, sur l'ensemble du pays. Ces inondations ont concerné pour le moment six régions sur huit euh, du pays. Le forum de la presse de ce soir s'intéresse également au déroulement des épreuves écrites de la session 2022 du baccalauréat. Nous terminerons avec la visite au Niger du 14 au 15 juillet dernier de la ministre française en charge des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et celui en charge des armées, Sébastien Lecornu. Pour analyser tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir euh, dans ce studio nos invités Maïmoune Gado, journaliste euh, indépendante, euh, Elagi Mohamedou Suleiman, journaliste euh, au journal Niger euh, Inter, et au CNISA, journaliste euh, indépendant également. À la modération de ce forum de la presse de ce soir, je suis Michel Degis. Sanusi Tambari Jaku, homme politique, économiste de formation, écrivain, journaliste et président du Parti nigérien pour l'autogestion PNA al umma s'est éteint le lundi 18 juillet dernier à l'hôpital général de référence de Niamey à l'âge de 82 ans des suites d'une maladie. Pour rappel, Sanusi Tambari Jakou, affectueusement appelé de son vivant STJ, est né à Kongnaka, dans la région de Maradi. Ancien parlementaire et ancien ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur euh, et des affaires euh, étrangères, il fut par ailleurs une des figures emblématiques de la conférence nationale souveraine de 1991. Ses obsèques officielles ont eu lieu ce jeudi 21 juillet 2022. Que faut-il savoir de plus euh, sur la vie de cet homme politique ayant une mémoire euh, phénoménale, selon les mots du président de la République, euh, chef de l'État, Mohamed Bazoum Maïmoun Merci Michel. Donc, vous avez à peu près tout dit mm. sur l'homme qui était Sanoussi Tambari Jacou. Nous savons également que c'est un historien, il faut le rappeler, parce mhm. que... Il ne l'est pas de formation. mais il connaît très bien l'histoire du Niger pour avoir mhm. euh, été euh, dans euh, à peu près euh, une connaissance, d'avoir une connaissance sur les huit régions du pays. Mhm. Le peuple nigérien a perdu. Mhm. Le peuple nigérien a vraiment perdu parce que c'est, comme on dit, c'est une bibliothèque qui vient de mhm. s'en aller. Comme le disait Mpateba Ouais. Et je pense que il a été également euh, l'ami des journalistes. Vous venez de le dire si bien que c'était aussi un écrivain journaliste. Il avait d'ailleurs, il faut rappeler, comme journal qu'il a eu à fonder La Roue de l'Histoire la roue de l'histoire. Après, il nous a avons l'arbre à palabre, nous avons le sens euh, beaucoup de, livres, beaucoup de livres Ça, par Les journaux, il a écrit beaucoup de livres. Beaucoup sur l'histoire du Niger. Hein. Mhm. Et comme je dis aussi, il a occupé des postes très importants mhm. euh, dans ce pays. Il est également instigateur donc euh, de la démocratie, qu'on le veuille mhm. ou non. Oui, parce qu'il était le président d'ailleurs de la commission économique à la conférence nationale souveraine. oui, qu'on le veuille ou non, vraiment, c'est quelqu'un qui a, qui, mhm. œuvré, énormément, dans, qui a contribué énormément mhm. dans le développement donc, de ce pays, du Niger et de l'histoire du Niger. Mhm. Euh, à mon sens, euh, élevé de, journaliste, je l'ai connu étant journaliste, je l'ai côtoyé. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais, jamais refusé, en tout cas, euh, d'accorder, ne serait-ce qu'une interview qui n'a pas été préparée à, nous autres. il est très disponible, pour la presse, il est très disponible. Mhm. C'est quelqu'un. Il prend tout son temps d'ailleurs pour <laughs> parler. Parce que oui, pour parler. Parce que dès que tu en fait, qu'il soit préparé ou pas préparé, mhm. la, question que tu vas lui poser de toutes les manières, c'est comment répondre à cette question. Bien sûr. Et euh, ensuite, vraiment, c'est pour dire que euh, c'est une perte pour euh, le pays, c'est une perte pour la famille politique aussi, mhm. parce que euh, STJ, comme on l'appelle affectueusement. Mhm. Et il fait partie également des pères fondateurs euh, du mouvement de la CDS Rahama, le parti CDS Rahama, avant, avant d'aller créer, créer mhm. son, propre, parti, politique, mhm. euh, le PNA Et nous ne pouvons que, humble avis, vraiment prier pour le repos de son âme et que sa dernière demeure soit bien sûr le paradis Firdos. On le souhaite euh, vraiment. Merci beaucoup, Amen. Donc, euh, j'ai Mahmoud Suleiman, on l'a écouté. C'est vrai, il a beaucoup de casquettes, ou il avait beaucoup de casquettes euh, de son vivant. Et il a été en tout cas d'une euh, grande utilité pour le pays de plusieurs points de vue. Il était également écrivain, il a travaillé sur l'assainissement. Il a écrit un important ouvrage sur l'assainissement que j'ai lu personnellement. C'est l'assainissement de 1960 euh, à nos jours au Niger. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait la particularité même de Sanossi Tambari en tant qu'homme politique quand on parle de Sanossi Tambari euh, <laughs> De mon point de vue, la particularité de euh, Sanossi Tambari c'est d'être euh, un libre penseur. Mhm. vous voyez toute la différence entre un homme politique et un libre penseur. C'est pourquoi. nous, on a suivi, étant étudiant pendant donc, le procès de la conférence nationale, mhm. Euh, on a suivi Sanusi coup dans toutes ses postures, euh, donc euh, donc, à la conférence nationale, au, conseil de, occupé avec de la République, mm. puis député, puis donc en politique qui a créé son parti, donc le PN Ce qui fait que cette posture de libre penseur fait qu'il peut agir même contre son, propre camp. Un des leurs hommes politiques qui peut effectivement. Euh, parce que la réelle politique voudrait en fait, les hommes politiques ont tendance, si vous voulez, à ne pas, en fait, euh, euh, me contenter leur bord politique. Mm-hmm. Mais Sanusu Jakou peut être amené à critiquer, mais vertement. Mm-hmm. Euh, son obédience politique à euh, dénoncer l'injustice mhm. parce que tout simplement, il a quand même euh, cette caractéristique, en tout cas, de vouloir promouvoir vraiment la justice et l'équité. Et je pense que c'est quand même un trait très, très important hein, dans la vie politique. Vous avez vu récemment, illustrer cet aspect, eh, il disait au président Issoufou à la veille de son départ, euh, donc, euh, euh les prisonniers, politiques, pour être quitte. et il dit, en tant que votre conseiller, je pourrais, j'aurais dû vous dire ça dans votre bureau, mhm. mais je préfère vous dire ça en, public. Certainement, il est conscient que ici, c'est mieux de le dire ça parce que si le dit dans le bureau, publiquement, absolument, ça, c'est des, choses comme ça. Autrement dit, et on pense que véritablement, euh, on voit entre sa posture dans, dans, un, dans, un, système. Euh, mais je pense que l'autre élément aussi qui, qui, a beaucoup formé ce monsieur Jakou, c'est comme on dit le code de la vie, la prison. Mhm. C'est vrai, autant de en plus, vous voyez, par exemple, euh, quelqu'un qui a un, parcours académique mhm. comme le sien, et donc quand il est allé en prison, vous donc là, comme on dit, l'école des hommes, ça a contribué donc maintenant vraiment à renforcer euh, l'homme. Mm-hmm. Donc, entre autres éléments aussi qu'il faut retenir de l'homme, euh, mm-hmm. c'est vraiment son sens euh, du portage, mm-hmm. le portage de son savoir, le portage de ce qu'il a. ceux qui connaissent le Jaku, c'est quelqu'un qui, peut effectivement tout le temps, il donne, donne, mais il, faut aussi, il va prendre avec ceux qui, sont, ceux qui ont. <laughs> Donc, que ce soit les opérateurs économiques ou bien les hommes politiques, mm. il prend mais vraiment pour donner aux autres. Ça, c'est un aspect très important. Mm. Et comme euh, la, la, qui est vraiment son compagnon euh, de tous les jours, en tout cas depuis les 30 ans là, mm. il faut la même fada. Donc, il, dit qu'en vous voyez, vous voyez ce, que, tout le monde est Jacou, mm-hmm. C'est quelqu'un qui vit vraiment euh, pour en fait, partager les problèmes des, autres. Mhm. Et donc, les gens viennent à lui parce que tout simplement, il peut aller dans des, dans, dans, grandes cours, en tout cas, défendre euh, leur cause. Ça, c'est important. Mhm. Partager ce euh, savoir avec, avec tout le monde, mhm. ça, les gens sont vraiment d'accord que on l'appelle à une conférence, à une interview, euh, franchement, il est, il est très disponible. Mais partager ce qu'il ce, ce, tout le monde, ça nous c'est vraiment il, est, il est de ces gens, en tout cas, qui n'ont pas pensé à amasser les biens pour eux-mêmes. Et leadership, effectivement, on dit être au service des autres, ça vraiment un, un, vrai leader. quoi. Mhm. Donc, euh, partager tout le temps, il, il, donne et, les gens viennent, vers lui. Donc, euh, euh, moi, je dis en tout cas ce que je faut retenir en tant que journaliste, effectivement. Mhm. Nous avons fait une perte non seulement de sa disponibilité, mais aussi un grand lecteur. Hmm. tous les journaux, toute la semaine, tous les journaux, toutes les publications, tu vois chez lui, il a tout, tous les journaux, il les achète. Hmm. Et euh, en plus de ça, effectivement, c'est le prototype d'intellectuel qui sera aujourd'hui. Quand tu vas chez lui, tu vas constater effectivement euh, la documentation, hmm. les livres anciens et nouveaux. Il est très à jour, en fait. Je veux dire qu'il est il a une vie intellectuelle, en tout cas, une culture intellectuelle, en tout cas. Dès, dès que tu vas chez lui, tu vas vraiment euh, mhm. euh, voir cette, réalité. Mhm. donc, euh, ça, je pense que ils sont rares, en tout cas, ces, ces intellectuels. J'aimerais bien ici témoigner. Mhm. J'ai fait la dernière interview avec lui en janvier dernier. On parlait du dialogue politique, des questions du sacrifice à l'insécurité. Il a dit des choses très importantes. Un message, moi, que je voudrais vraiment euh, euh en tout cas à l'endroit des hommes politiques, ce le sujet dit que nous a confié, et moi je le crois, mm. que, parce qu'on a dit, franchement, voilà, comment se fait-il que la société est politiquement mm-hmm. Il dit, euh, réunissez, il demande au président Bazoum, réunissez Issou Mohamed Amadou, vous voir. Mm-hmm. Euh, parce qu'il a rappelé historiquement comment ces gens-là ont imposé la création du, conseil de politique mm-hmm. Donc, ils, font, euh, <laughs> ils, ont euh, tout simplement créé une situation où on se comprenait, la se comprenait. Aujourd'hui aussi, dès que ça ne s'entend plus, vous voyez, aujourd'hui, il y en a comme l'impression une, une situation crispée qui est là. Mhm. Donc, ça, c'est important comme message. Mhm tout ce que nous disons vraiment en substance, on, mhm. demande en tout cas à Dieu mhm. que lui fasse miséricorde, qu'il pardonne ses, péchés et que ce qu'il a laissé pour la postérité du bien, mhm. qu'on puisse en faire un bon usage. Effectivement, des gens comme ça, par exemple, tout comme André, comme tous les grands hommes en tout cas, qui ont laissé quelque chose, il faut chercher à faire des archives utiles, à vraiment chercher à créer un cadre euh, utile surtout leur bibliographie, puisque c'est des grandes têtes euh, du pays, on le sait bien, ils ont beaucoup écrit, absolument. compris naturellement André Salifou. absolument. merci, euh, vous le disiez à l'instant, l'homme n'est pas parfait et c'est ce que disait d'ailleurs l'ancien chef de l'État, Ali Seibou. Cette disparition nous fait justement penser à ses propos quand il dit les hommes passent avec leurs défauts et leurs qualités, seul le Niger demeure et c'est un fonction de ses intérêts qu'il faut toujours agir. Nissa, quelle analyse et puis euh, vos voeux euh, afin que euh, l'âme de l'illustre disparu repose en paix bon, ben, Je commence d'abord par présenter mes condoléances à sa famille mhm. biologique, à ses proches, à ses amis, à pratiquement toute la classe politique. Mhm. Et je vais juste compléter Memona et Suleiman. Mhm. Moi, personnellement, je commençais à côtoyer Jacou en 92-93. Mhm. C'était le début du balbutiement de la presse privée au Niger. Mhm. Il était des acteurs politiques très, très influents à cette époque. Mhm. Il faisait partie de ces acteurs-là, de tous ces nouveaux acteurs politiques qui visitaient, qui venaient, qui passaient leur temps dans les rédactions. À cette époque-là déjà. Ça dit, dire celui, il a une information à faire passer. Il suscitait même des interviews. Mhm. Il venait trouver, nous trouver dans les rédactions pour dire j'ai quelque chose à dire. En tant qu'homme politique, pour un peu compléter ce que Suleiman a dit, c'est mhm. qu'il n'a pas sa langue dans la poche. Mhm. Quand ça va pas, ça va pas, il vient, il le dit publiquement. Souvent, ça crée des situations de, comment vais-je dire, euh, de gêne au sein de son, comment de son camp politique. Mais ça lui disait absolument rien du tout, parce que pour lui, il faut dire certaines choses que les gens veulent taire. Depuis qu'il était avec euh, Maman Ousmane et tout et tout, et jusqu'à son dernier souffle, il n'a pas cessé de fréquenter les rédactions. On a peut-être omis de dire qu'il a enseigné à l'université. Bien sûr. il a pris sa retraite à l'université en 97 euh, pour pouvoir pleinement économiste de formation, économiste de formation ancien enseignant au niveau ah, de la faculté en charge euh, euh, Alors, de l'économie. naturellement, jusqu'à pratiquement mhm. jusqu'à son dernier souffle, il n'a pas cessé de fréquenter. Mhm. Et ce que j'ai retenu de lui, c'est l'homme accessible le politicien accessible. Mhm. Son Sanusi ne fait pas de, de, de comment vais-je dire, il fait pas d'exclusion autour de sa personne. Mhm. Vous voulez voir Sanusi, que ce soit au niveau de son bureau politique à l'époque, que ce soit au niveau, comment dirais-je, de son bureau, son mhm. cabinet, que ce soit à son domicile, que vous, ayez, que vous ayez rendez-vous ou pas, tant qu'il est là, il va vous recevoir. Bien sûr. Si vous êtes là pour l'interroger, il va répondre. Même s'il n'est pas préparé, il va répondre quand même. Merci beaucoup. Voilà un, peu les quelques qualités. Euh, que, cette page. Euh, je peux retenir ici, on mhm. a autant d'hommes politiques comme lui, parce que je me rappelle, mhm. il faisait partie de ceux qui avaient véritablement animé la première assemblée et de, la Troisième République en termes de débat, de qualité de débat, mhm. de discussion. Bien sûr. Jusqu'ici, on n'a pas eu une assemblée comme celle qu'on a eue en, 1993. On est à la recherche parce que d'année en année ou de mandat en mandat, la qualité est en train de s'améniser mais il faisait partie de ceux-là qui animaient l'Assemblée. Mhm. Et tout le monde était passionné de suivre les débats de l'Assemblée à l'époque. C'est vrai, il était vice-président d'ailleurs euh, à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est quelques mots, parce que mhm. si on doit parler de Jaco jusqu'à la fin de l'émission, là, mhm, bien sûr. <laughs> on ne finira pas de, vanter ses qualités. Merci beaucoup. Nous présentons à nouveau donc euh, nos sincères euh, condoléances à la famille éplorée. Ainsi va la vie, paix à son âme. Il faut noter qu'il a été donc euh, inhumé après les obsèques euh, qui se sont déroulées dans la matinée au palais de la présidence euh, dans son village natal à Kognaka. C'est dans la région de Maradi. Nous passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse de ce soir. Il s'agit de ces multiples dégâts matériels et humains qu'enregistrent déjà certaines localités du Niger suite aux inondations. À la date du 20 juillet 2022, la Direction générale de la protection civile a listé 15 décès, dont 10 par effondrement et 5 par noyade suite aux fortes pluies enregistrées dans six des huit régions du Niger ces derniers jours. On dénombre aussi 24 blessés environ 23 631 personnes sinistrées, précise le rapport de la protection civile. 503 têtes de bétail emportées et 135 euh, greniers endommagés. Mais Diado, quelle analyse euh, vous suscite euh, ces chiffres en date du 20 juillet de la protection civile Déjà, il faut mentionner que c'est déjà beaucoup. 15 mhm. pertes euh, en, vie humaine déjà, mhm. alors que nous ne sommes qu'au début mhm. de la saison pluvieuse, si je peux le dire. Euh, deux mois. On a encore deux mois devant nous. et le mois d'août, euh, c'est le mois le plus pluvieux. Donc c'est vraiment énorme. Et en termes de dégâts également, avec le nombre de sinistrés, de maisons effondrées de greniers déjà mm. qui ont euh, euh, été, endommagés. Donc ça veut dire que vraiment l'alerte, euh, l'alerte, elle, est très profonde et elle est très grande. Mm. Donc je sais pas, je sais pas, mais il faut retourner à ce qu'on appelle l'année passée. Mm. L'année passée, qu'est-ce qui a été fait en termes justement d'inondation Quelles sont les dispositions qui ont été prises Est-ce qu'il y a eu un suivi de ces dispositions-là puisque l'année passée aussi, c'était le même cas. C'était des inondations. Les mm. inondations étaient également très forte. C'est requérant, on a oui, l'impression, oui, toutes ces deux dernières décennies, chaque, année, on en parle. année, on en parle. Chaque année, on dit voilà ce qu'il faut faire. Mais est-ce qu'il y a un suivi de tout cela mhm. pour pouvoir permettre au moins d'amondrir, ou même s'il y a ces, catastrophes, de, faire en sorte que ça ne soit pas des catastrophes aussi énormes Bon, je ne sais pas. Mais quand on regarde, il n'y a que dans les huit régions du pays, c'est la région du Niamey seulement, mhm. qui jusque-là, résiste à mm. ces Et euh, également, pour le moment, on n'a pas, eu de dégâts. Et à Niamey, nous avons la question de la digue. On espère bien qu'elle va pouvoir tenir. Tenir, c'est mhm. le souhait. Mais mhm. maintenant, il y a ce qu'on appelle que, j'ai toujours dit que les Nigériens aussi sont têtus. Ceux qui sont euh, proches de ces rives-là. Les zones inondables. Les zones inondables. On mhm. les a toujours dit, voilà ce qu'il faut faire. On leur a donné, je pense, ici à Niamey, on leur a donné des, des places. Mhm. Certains sinistrés, sont retournés de l'autre côté, dans la zone de Séno. Mais mhm. jusque-là, il y a d'autres qui sont revenus sur les mêmes mhm. installations. Parfois, ils disent à cause euh, de leurs activités économiques, parce que euh, quand on est loin de la ville, c'est un peu mais ça, la vie, la, vie, la vie est encore plus importante, que ce que vous pensez. Donc maintenant, l'acte est là, les inondations sont là, ça fait déjà des coups Mhm. puisqu'il y a eu des morts, il y a eu des sinistrés. Mhm. Il faut essayer de faire un plan B. Mhm. Un plan B pour pouvoir au moins les autres régions qui ne sont pas jusque-là euh, touchées. Il faut essayer de voir comment est-ce qu'il faut faire pour que ces zones-là soient euh, prises en considération, en compte avec euh, les, les, les, les, problèmes qu'on peut avoir, les, problèmes de Corée, pour Agadez et autres. Il faut essayer d'harmoniser les choses. Maintenant, il faut sensibiliser ces populations. Il ne mm. faut pas les laisser les regarder. Et puis, mm-hmm. à chaque fois, on assiste à un euh, rapport mm-hmm. euh, de la protection civile. Merci beaucoup, on vous a bien compris. il, faut, des euh, actions urgentes. oui. urgentes. agit. Mohamed c'est vrai, elle insiste et elle le dit, c'est vrai. très souvent, euh, la direction de la protection civile euh, informe qu'il y a des zones dites inondables. C'est vrai, ces inondations sont dues à plusieurs conséquences, dans la question du changement climatique. Mais à l'immédiat, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour sauver euh, des vies humaines, mais également les biens des citoyens, euh, toutes ces personnes exposées à ces inondations sur l'ensemble du pays. La direction de la protection civile euh, a clairement dit aux populations qui sont dans des zones inondables, mhm. de déguerpir, de se déplacer. Mais très malheureusement, avec le manque de moyens l'attachement à la terre. Parce que tout simplement, c'est leur habitation, quoi qu'on dise. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de leur gré. Les jeunes vont, ils vont toujours attendre d'abord la catastrophe. À ce moment-là, il n'y a rien à faire, on est acculé, à ce moment, on doit se déplacer. Donc, euh, mais cette instruction de la présence civile est appuyée par les prisons de la météo. On se souvient, de le départ, le, la décision de la météo annoncé que cette année, effectivement, va être, euh, euh, En, tout cas, euh, c'est une saison humide. Mhm. Et ils ont clairement dit la période de juillet, septembre août, août et septembre mhm. va être encore plus humide. Et, Et nous mhm. sommes, effectivement, on se rend compte en tout cas, depuis cette semaine, euh, véritablement, déjà en juillet, mhm. euh, on commence à constater effectivement que ça annonce août euh, comme une période, en tout cas, de fortes pluies. donc, par conséquent, il faut beaucoup de précautions. Les populations, certainement aussi les autorités au niveau, donc, à tous les niveaux. Mm. Donc, parce que comme je l'ai dit, c'est une sorte de de trucs euh, récurrents. Mais euh, Qu'est-ce qu'il faut euh, faire Qu'est-ce qu'il y a lieu ces populations des conseils à l'endroit de ces elles, populations elles, elles vont rester. Mhm. C'est qu'après donc les, les on va encore les amener dans, les écoles mhm. et vous voyez effectivement la rentrée en train de venir déjà en septembre. Mhm. Donc on va se retrouver justement si on y prend garde avec donc les écoles occupées et, avec tous les dégâts. En fait, déjà, on, parle de, de, de, de 15 morts. Euh, on se rend compte qu'effectivement, l'effet donc, euh, du changement climatique, c'est une, une, réalité. Le danger est là de façon générale, nos, nos moyens d'habitation mhm. sont très précaires. Euh, les, cas cases, ça n'existe pas aux grandes pluies, mhm. aux grandes averses en tout cas, et avec le changement climatique, on peut se retrouver avec des pluies très très fortes. J'ai vu hier une vidéo, je crois c'est au niveau de la Komadougou, euh, euh, en tout cas. Euh, on a enregistré on a vu, 162 mm en On a vu justement des animaux. Dans la région de Comment cette situation a, apporté des ânes. Mhm. C'est-à-dire que, franchement, il va falloir effectivement, à, long terme, comme alternative, que aussi nos, les architectes aident à améliorer l'habitat plus peut-être qu'il existe un, tout petit peu. Mais ça, on, se rend compte que c'est. Il y a sérieusement ça, demande beaucoup de moins. Donc, moi, je pense à l'endroit de toutes ces personnes pour tourner cette euh, page Un conseil, bon, c'est que euh, je pense que il faut tenir compte de l'annonce de la météo cette année. Mhm. Les pluies vont être euh, très très fortes. Mhm. Euh, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on pense aussi c'est synonyme de, de, de, production mhm. euh, agricole. S'il y a une bonne répartition dans le temps et dans l'espace surtout. il faut d'abord euh, mhm. survivre pour effectivement profiter de, mhm. des bonnes Merci beaucoup. Il faut donc être vigilant. C'est vrai, la pluie va être excédentaire. Ça a été déjà annoncé. Et la manière dont on a cette pluie, quand il n'y a pas une bonne répartition dans le temps et dans l'espace, quand la pluie tombe 100 mm en une seule pluie, c'est désastreux très souvent. Ousseinissa, comment le gouvernement peut contribuer à vite relever tous ces défis en lien avec la question des inondations, puisqu'on a déjà d'autres euh, petits problèmes, si on peut les appeler ainsi, avec les déplacés internes, les réfugiés, les besoins humanitaires. On a l'impression que c'est déjà très immense. Euh, oui, mais le gouvernement n'a pas une emprise d'abord sur la pluie. Mhm. C'est vrai, euh, c'est des catastrophes naturelles, on les appelle. mais il y a des actions, puisqu'il y a un ministère. Oui, mais quelle action Quelle la action catastrophe naturelle. Non, en fait, bon, il faut qu'on arrête mhm. de tourner en rond. Mhm. Quelle action quelle action D'une année à l'autre, c'est la même chose. C'est les mêmes situations qui se produisent. Non, ce qu'il y a lieu de se produire, il faut mhm. un plan d'urbanisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de quartiers à Niamey. Vous venez de dire qu'à Niamey encore, c'est la, seule région qui est un peu épargnée. Mhm. Mais aujourd'hui, il y a des quartiers où il n'y a pas de caniveau, il n'y a rien. Mhm. Vous ne pouvez même pas les fréquenter. Les petites pluies là qui sont tombées il y a quelques jours, quand vous allez dans ces quartiers, il n'y a même plus de voies. N'est-ce pas Parce que tout simplement, c'est l'anarchie il n'y a pas de planification, il n'y a pas pour pouvoir faire en sorte que les quartiers soient viables, mhm. n'est-ce pas Même les nouveaux quartiers, hein, quand mhm. je parle des quartiers, je ne parle pas des quartiers des anciens quartiers traditionnels où les maisons sont en banco de plus de 50 ans et euh, qui sont là. Tout le mhm. problème réside là, c'est de faciliter l'accès aux matériaux de construction. Le Niger fait partie des rares pays, des rares pays où les matériaux coûtent cher. Personne ne veut. Oh, les gens n'arrivent pas à construire euh, facilement en matériaux définitifs. Mais même ceux qui ont un peu de souvent, les normes ne sont pas respectées. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Espérons que cette euh, situation des inondations va euh, s'améliorer de façon positive, puisque les deux prochains mois sont également des mois de fortes pluies. Et donc, euh, nous espérons que les choses vont s'améliorer, comme euh, on dit. On souhaite que ça fasse moins de dégâts et que la campagne euh, agricole soit bonne. Merci beaucoup. Un autre fait et mal marqué l'actualité de cette euh, semaine qui s'achève au Niger, c'est l'organisation des épreuves écrites de la session 2022 du baccalauréat. Cette euh, année, c'est un total national de 86 830 candidats, toutes séries confondues, dont 39,10% de filles qui ont été inscrites pour affronter ces épreuves écrites du baccalauréat dans deux centres selon le ministre en charge de l'enseignement supérieur de la recherche PhD Mamoudou Chibou dans le message qu'il a livré la veille même du démarrage de cet examen. Un effectif en progression de 5,71% par rapport à 2021, a-t-il indiqué tout en rassurant que le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement de cette session. Néanmoins, Certaines défaillances ont été constatées dans certaines localités du pays. C'est le cas du jury 16 du lycée technique de Maradi où l'épreuve de français a été reprise dans huit salles d'examen. Selon le président du jury, professeur euh, Tangno Mamman, cette reprise est motivée par le fait que certains candidats ont traité l'épreuve avant les candidats de ces huit salles. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant local à Maradi, Mohamed Maman. En principe, s'il y a des filières ou s'il y a des sections qui doivent composer dans une même matière, on doit coordonner, on doit assurer la cohérence. On ne peut pas permettre à une section ou à un jury d'ouvrir alors que c'est la même épreuve pour les autres. C'est le travail même de l'office du bac qui est en cause. Ça, ce ne sont pas les candidats. Ils ont autorisé que ça soit ouvert ailleurs, oubliant qu'il y a des centres où la même épreuve va venir un peu plus tard. C'est les séries F ici, F1, F3 F4. C'est 8 qui reprennent. Alors que nous, on a déjà anonymé, j'ai coupé. Les entêtes sont là. Maintenant, on apprend qu'on doit reprendre à zéro. La Halcia est là à nos trousses. Et on continue à récupérer des téléphones. Même tout à l'heure, j'ai récupéré le téléphone d'une candidate on voit là des candidats prêts à tricher donc euh, qui utilisent leur téléphone portable malgré que cela soit interdit en pareille euh, circonstance. Mais Diadou, qu'est-ce qui peut expliquer cela ainsi que les autres désagréments expliqués par euh, ce président du jury 16 du lycée technique de Maradi où l'épreuve de français a été reprise dans huit salles d'examen ce que je veux dire rapidement, c'est que fraude, euh, empêcher les enfants de frauder ou bien de tricher, euh, ça serait un peu difficile parce mhm. que ces enfants-là, s'ils comprenaient déjà le français qu'on là, en train de leur dire, ne venez pas avec vos portables en salle, même dans la cour, ils n'allaient pas le faire. Mhm. Donc c'est vraiment dire que jusque-là, il y a des enfants qui sont têtus. Mhm. Jusque-là, il y a des candidats qui sont têtus, qui pensent qu'ils sont plus malins ou bien il faut passer par la tricherie pour pouvoir avoir un diplôme. Mm. Non, ça ne se fait pas. Mais maintenant, pour ce qui est euh, justement de l'épreuve qui a été annulée, mm. puisque là-bas aussi reprise, mm. reprise, ça aussi, il faut essayer d'aller à la source pour pouvoir savoir mm-hmm. qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mm-hmm. Maintenant, je ne sais pas, La lycée avec tout ce que lycée est en train de faire, tout ce que lycée est en train de, de, suivre comme processus, euh, pour, pour, pour pouvoir mettre fin à la euh, aux tricheries et autres, on, voit que jusque-là, ce phénomène est là. Mm. Maintenant, euh, ce qui est de l'organisation. Mm. Moi, je pense que c'est parce que, tout simplement, de l'organisation du bac, ceux qui doivent être impliqués directement ne sont pas impliqués. Mm-hmm. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les professeurs, là, ceux qui sont avec les élèves, qui dispensent les cours avec les élèves, mm-hmm. dans le choix, leur enseignant, mm-hmm. dans le choix des sujets, et on ne les implique pas. Mhm. Et des fois, ça fait aussi embrage à, la bonne réussite. Mm, ça crée des frustrations. De, ces examens. Merci beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup de temps, malheureusement. Et c'est vrai, il faut dire que le bac, c'est le premier diplôme universitaire et c'est à cause de ça que son organisation est placée sous la tutelle du ministère en charge de l'enseignement supérieur, alors que le ministère euh, qui a en charge la gestion des enseignants, qui les enseigne au niveau des collèges euh, et lycées, c'est plutôt le ministère en charge des enseignements secondaires, ce qui fait que très souvent, justement, il y a des enseignants qui euh, disent qu'ils ne sont pas suffisamment impliqués. Euh, bon, on ne va pas s'attarder sur ça. Alhaji Mohamedou Suleiman, en quelques mots, quelle analyse globale vous faites par rapport au bilan de l'organisation, en tout cas en ce qui concerne le déroulement des épreuves écrites euh, je suis quand même un peu surpris. L'an dernier, quand euh, malgré tout, le bac a été bien organisé. Euh, donc, peut-être aussi la, presse, on a tendance à voir là où ça ne va pas. espérons que c'est un cas isolé, de façon au niveau national qu'il y ait moins de, cas de, fraude. de l'ensemble, j'ai entendu dire que les épreuves ont été difficiles. Euh, donc, euh, on a vu au niveau du BPC, c'était pas fameux. C'est vrai, j'ai vu en Guinée, c'est 9% au niveau du bac. Euh, les Ivoiriens ont jusqu'à 20%. Ah, mais on sait que véritablement, avec les mesures contre la, fraude, ça reflète le vrai niveau de nos, de nos élèves. Donc, on va voir le taux qu'on va avoir de. Donc, il faut attendre d'avoir les résultats pour pouvoir mieux apprécier. Mais j'ai dit qu'il mhm. il faut tout simplement que la, la qui est impliquée soit plus ferme. Nissa, le bac l'année passée, c'était 22,75%. Cette année, est-ce qu'on peut espérer mieux De mon point de vue, mm. qu'est-ce qui a changé dans la qualité de l'enseignement mm-hmm. Pas grand-chose. Mm-hmm. C'est pratiquement le même système d'enseignement, on est dedans. Mm-hmm. Alors, à partir de ce moment, comment on peut prédire que cette année, ça va être meilleur que ce qu'on a enregistré l'année dernière en tout cas, c'est ce que le ministre le de l'enseignement mais, mais a dit. Il a dit si on n'a pas jusqu'à 84%, mm. oui, je pense, alors, le système n'est pas crédible. C'est tout le système qu'il faut revoir. C'est tout le système. Alors, euh, alors mais quand même, même quand mm. je vois ce cirque-là, il y a machin dans des salles de classe avec des, comment on appelle, des gilets. Non. Mm-hmm. Alors, on met encore la pression, une pression supplémentaire sur les élèves. Mm-hmm toute cette histoire de fraude et autres là, ça a pris de l'ampleur ces dernières années. Ce qui s'est passé à mali, j'ai cru comprendre que c'est au niveau organisationnel. Bien sûr. Par rapport, euh, ce n'est pas une affaire de voilà. Mhm. Alors, mais à qui la faute Qui doit être sanctionné euh, Ça veut dire que ceux qui sont mhm. au niveau du, de, l'organisation du bac, mhm. pas les, les, élèves. Alors, moi, j'ai dit, il faut qu'on s'assoie pour se dire un certain nombre de vérités mhm. par rapport à ces examens-là. Parce qu'un examen, c'est pour aller en classe supérieure. En tout cas, ce genre d'examen, n'est pas un concours où on a besoin de tel nombre de personnes, tel nombre. Mais quand on met en plus à chao, les gens viennent, viennent se pavaner dans des salles de classe, ah, ça contribue à déconcentrer souvent mhm. les, candidats. Abordons enfin la dernière partie du forum de la presse euh, de ce soir. Il s'agit de la visite euh, du 14 au 15 juillet de la ministre française en charge des affaires étrangères, Catherine Colonna, et celui en charge des armées. Sébastien Lecornu. La priorité de la France sera centrée au Niger dans les domaines de la coopération sécuritaire, la lutte contre le terrorisme, l'aide humanitaire et l'appui au développement, ont annoncé ses membres du gouvernement français lors de leur visite au Niger. Et c'était au cours d'une conférence de presse co-animée en présence euh, des ministres nigériens en charge des affaires étrangères et de la défense nationale. Maimoun Gado, que fait-il euh, retenir de cette euh, première visite au Niger de ces deux ministres français Ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, le président français, Macron, l'avait si bien dit, mmh. qu'il veut redéfinir la politique sécuritaire Mhm. en Afrique. Mhm. Donc, il, les deux Français étaient là par rapport à ça, justement, mhm. pour voir comment est-ce qu'ils ils peuvent améliorer euh, cette coopération euh, dans le cadre donc, de la sécurité. Et pour améliorer, parce qu'il faut écouter ils veulent écouter en fait ce que les populations ont à dire, ce que l'État, les États ont à dire par rapport justement à cette coopération je, trouve que c'est déjà une très bonne chose s'ils s'impliquent pour pouvoir écouter les, doléances mhm. de ces pays qui sont aujourd'hui confrontés au terrorisme. Mhm. Deuxièmement, ils sont là, c'était pour également euh, revoir qu'est-ce qu'il faut également apporter en termes de coopération mhm. euh, sur l'aide alimentaire on a vu une contribution de 43 milliards de, francs CFA. Donc, il y aura une partie qui sera destinée justement à l'alimentation. À l'alimentation, puisqu'ils étaient déjà sur le l'accès oui. à l'électricité. ils étaient déjà sur le site milliards de, francs CFA, je pense bien, mhm. par rapport à leur projet euh, mhm. sur euh, la malnutrition. Mhm ils étaient également au niveau du camp de Walam pour pouvoir euh, véritablement prendre le pouls mhm. euh, par rapport aux terroristes, ce que les militaires français et mhm. les militaires nigériens sont en train de faire là-bas, mhm. de lutter contre le terrorisme. Mais je pense que leur visite, en tout cas, ça a défini tout. Mhm. Ça définit vraiment qu'ils sont là, ils veulent repartir sur des bonnes, bases. cette bonne base, euh, elle est fondée sur plusieurs aspects. Il s'agit notamment de la question du redéploiement d'une grande partie de Balkan sur le territoire nigérien. de euh, Mohamed Souleymane, quel enjeu euh, selon en tout cas le ministre en charge de la Défense nationale, Al-Kassoumi cela va permettre au Niger de renforcer sa lutte euh, en matière euh, donc euh, de lutte contre le terrorisme. Brièvement, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement on, a entendu justement le ministre français de la Défense, Sébastien Sébastien Lecornu, parler d'un agenda renouvelé. Du coup, on comme l'impression que la France a, tiré quelques leçons de son expérience au Sahel, au Mali, notamment, euh, la parce France que était présente pendant environ 9, et même ils parlent du, respect de la souveraineté mm. euh, des, des, des, des, États, mm-hmm. mais en tout cas on sait une sorte de changement de fusil d'épaule parce qu'ils disent que désormais, euh, parce que c'est à la demande du de, Niger, mm-hmm. les soldats français seront sous le commandement, commandement donc, nigérien, mm-hmm. ils seront à la seconde ligne, c'est pas, en tout cas, n'ont pas d'initiative. Euh, euh, isolé. Donc tout sera donc circonscrit avec un commandement opérationnel en tout cas où le pays donc euh, concerné, donc le Niger, a quand même l'initiative. C'est à sa demande que tout va se faire. si, si tel est le cas, je pense que c'est ce que demande l'opinion publique en tout cas, que les choses soient transparentes, que les choses ne consentent pas que les Français sont là euh, de façon incontrôlée, qu'il n'y ait pas de transparence. Euh, donc, en tout cas, de façon euh, globale, comme on a entendu justement le ministre de la Défense a dit clairement que on voudrait vraiment une, une, un appui, en tout cas une assistance, de façon à se passer de l'aide. Mm. Parce que tout simplement, on voudrait que notre armée puissent elles-mêmes véritablement euh, monter en puissance et aussi venir à bout, en tout cas, au phénomène du tourisme. Donc, je pense que de façon globale, cette visite euh, euh, qui, en tout cas, s'est déroulée autour donc, des questions de développement donc, et, de, sécurité, en tout cas, ça a une bonne impression mm-hmm. que, en tout cas, en substance, la France semble, en tout cas, écouter les opinions africaines qu'on pense que véritablement maintenant il incombe à nos autorités effectivement de faire en sorte que cela soit. Merci beaucoup. Hussein Issa, qu'est-ce qu'il faut souhaiter à cette euh, nouvelle coopération militaire, si on peut l'appeler ainsi, entre le Niger et la France, euh, puisqu'à ce niveau, euh, Eladji Mohamed Souleiman l'a dit, la France compte en tout cas mettre l'accent sur la question de la formation. C'est ce qu'en tout cas Emmanuel Macron a eu à dire à l'Élysée. Moi, d'abord, hum. moi, pour moi. Ils sont venus regarder comment ça se passe, le transfert de Barkhane ici. Tu me vois, ces gens-là accepter d'être commandés par nos soldats. Ils vont faire la même chose qu'ils ont fait au Mali. Ils ont besoin d'un pays où ils peuvent se replier. Le pays le plus proche, le Niger, ils sont venus. Maintenant, on va attendre de voir. Ils sont là depuis quelque temps, mais ça n'empêche, les voyous sont là-bas, ils prennent des impôts, ils, ils pillent les animaux. Il n'y a rien que hier, je crois, dans cette zone-là. Mais alors, mais comment on peut concevoir, avec tout ce qu'ils ont comme moyens sophistiqués, que des gens puissent venir menacer des populations et tout et tout mhm. Mais quand est-ce qu'ils vont entrer en action, finalement C'est la question qu'il faut se poser. Parce que normalement, à partir du moment où tout le dispositif est sur place ici, quand il y a des choses comme ça, même le mouvement de ces motos-là, parce que les djihadistes viennent en moto et tout, ils doivent pouvoir contrôler pour qu'on puisse en finir. Mhm. Mais alors, on a comme l'impression qu'ils sont en train d'attendre quel agenda Quoi Ils sont là pour nous aider ils ont les moyens sophistiqués, ils doivent pouvoir nous aider en termes de renseignement pour que ces gens qui viennent dans les villages, qui menacent les populations, que ces gens-là, on puisse en finir rapidement. Merci beaucoup. les attentes sont donc euh, immenses et il faut à ce niveau également attendre de voir euh, les résultats qu'on aura en tout cas à partir de la fin du redéploiement de Balkan euh, du Mali parce que là c'est prévu pour la fin du prochain été. Merci. On espère donc euh, des résultats rapides euh, par rapport à cette euh, nouvelle coopération entre le Niger et la France. Chers auditeurs, nous sommes au terme du forum de la presse de ce vendredi 22 juillet 2022. Nous disons merci à nos invités. Maimoun Gado, journaliste indépendante, Elhaji Mohamedou Suleiman, journaliste au journal Niger Inter et Husseini Issa journaliste euh, indépendant également. À la présentation du forum de la presse euh, de ce soir, je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Amina Hassan et Issa loli Merci de nous avoir suivis. Excellente euh, soirée à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.